le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du 7h15 à Niamey. Monsieur, dames euh, bonsoir. Euh, si vous nous rejoignez, vous écoutez le forum de Studio Kalangou, un espace d'échange sur diverses questions que vous vous posez quotidiennement. Comme c'était déjà le cas en 1998, euh, l'âge de la retraite au Niger pourrait être revu. D'aucuns parlent d'un projet en gestation qui fixerait l'âge à 65 ans. Alors, si cela arrivait, qu'est-ce qui pourrait pousser le gouvernement à rehausser la limite actuelle à un âge encore plus avancé Que penserait la jeunesse du Niger dans une telle réforme Quel avantage et inconvénient pour ceux qui sont directement concernés par la retraite, mais aussi pour l'administration publique euh, nigérienne avec euh, nos invités, nous tenterons d'apporter des réponses et suggestions. Nous sommes dans ce studio avec M. Ali Maman, ancien maire des communes de la ville de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Seibou Moussa directeur de la Caisse autonome des retraités du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alio Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse que nous avions en interview. Nous avons aussi sollicité la présence du ministère de la fonction publique qui n'a pas honoré notre invitation à la présentation Reilat Bonsoir à tous. Euh, avant de nous lancer dans le sujet proprement dit, veuillez, chers invités, nous présenter brièvement la principale mission de votre structure. Monsieur Cassé, je commence avec vous. Merci beaucoup, madame. La structure que je dirige, en l'occurrence euh, la Caisse autonome des retraites du Niger, s'occupe de la gestion des pensions des retraités, et pas n'importe quel retraité, les retraités de la fonction publique, qu'ils soient civils ou militaires, ainsi que leurs ayants droit. Autrement dit, comme peut-être beaucoup ne le savent pas, il y a deux branches. Il y a la branche qui relève du Code du travail et qui est gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale, PNSS que tout le monde connaît. Mm-hmm donc qui gère les travailleurs du privé et du parapublic, ainsi que les auxiliaires de l'administration, et maintenant la Carénie qu'on vient de créer, mhm. qui va gérer les travailleurs qui relèvent du statut général de la fonction publique et des autres statuts particuliers. Et donc cette gestion, en réalité, c'est la prise en charge de la gestion des pensions. Mhm. Vous savez bien que une fois que le travail a fini sa vie active, le travail se retrouve dans l'autre situation qu'on appelle la retraite. À partir de là, non seulement en ce qui concerne le Niger, bien sûr, ailleurs, c'est pas ça. Le rythme de paiement change. Ce n'est plus un salaire que vous avez, vous avez une pension. Mhm. Au Niger, c'est trimestriel. Ailleurs, ils ont mensualisé. Nous-mêmes, on cherche à mensualiser. Les textes sont au secrétariat général du gouvernement. Ce n'est pas encore adopté, mais peut-être incessamment. Mhm. Deuxième élément, c'est que vous n'avez plus votre ancien revenu. C'est une partie de votre revenu que vous avez concédé. un pourcentage de votre revenu que vous avez concédé. Mais malgré tout ça, des gens éprouvent des difficultés pour y accéder. C'est pour ça que l'État a pensé qu'il faut mettre en place une structure mhm. qui va essayer de mieux prendre ça en charge pour alléger les souffrances des retraités fonctionnaires ainsi que leurs ayants droit. Parce que quand le fonctionnaire de retraité décède, mhm. il laisse une famille. Il laisse euh, des femmes veuves, mhm. laisse des enfants mineurs souvent, mhm. et on continue à leur donner de quoi survivre en attendant que ces enfants-là arrivent à avoir une nouvelle situation qui puisse leur permettre de mieux faire face à la vie. Merci, M. Kassé. Merci beaucoup. Monsieur Ali Maman, à vous. Oui, euh, merci madame. C'est vrai que <clears throat> je fais partie de la classe des personnes <laughs> qui doivent aller à la retraite. Uh-huh. Je suis d'ailleurs à la retraite, ça fait peut-être euh, au moins de 10 ans. Uh-huh. Donc, euh, à ce titre, je peux valablement parler des questions de retraite et également de la jeunesse. D'accord. Ayant été père de plusieurs enfants, je crois que cela peut m'être autorisé. D'accord. Oui, Oui. Merci beaucoup. Maintenant que le décor est planté, nous allons définir la retraite. Qu'est-ce que c'est que la retraite Qui a droit à aller à la retraite La retraite au Niger, suivant les deux régimes dont je vous ai parlé, il y a un âge légal de départ à la retraite. L'âge légal de départ à la retraite au Niger, pour le moment, c'est 60 ans. Le fonctionnaire arrivé à 60 ans, il cesse d'être dans le cadre où il se situe et il rejoint la classe des retraités, c'est-à-dire les gens qui ont fini leur période active et qui se retrouvent dans la période où maintenant ils sont supposés être chez eux ou en train de vaquer à d'autres occupations de leur choix, moyennant une pension issue de cotisations qu'ils ont eu à faire pendant leur vie active. Et il y a un délai de cotisation qui est exigé, un délai minimum, qui est exigé, qui est de 15 ans pour pouvoir avoir la pension. Si vous avez 14 ans et demi, vous pouvez ne pas avoir la pension, vous rembourse vos cotisations, ce qui n'est pas agréable dans la mesure où la pension est meilleure, en tout cas du point de vue de beaucoup de retraités et même du point de vue du calcul économique. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Ali Maman. Vous êtes ancien maire des communes. Que pensez-vous de l'âge actuel de la retraite au Niger Bon, moi je suis parti à la retraite à 60 ans. Mhm. Donc, euh, effectivement, nos prédécesseurs, il y en a qui sont partis à 55 ans. Et il y en a qui sont partis de manière obligatoire puisque le texte les obligeait à 48 ans. C'était les moniteurs de base qui étaient en 63, qui avaient commencé. Donc, finalement, ils ont fait vite les 30 ans et puis bon, ils étaient encore jeunes, ils pouvaient encore continuer à travailler. Malheureusement, euh, à l'époque, euh, l'État n'a pas compris et les amis d'office à la retraite pour permettre aux jeunes, naturellement, d'occuper les différents postes. C'est en fait ça. Mm. Ça veut euh, dire que les 30 années d'ancienneté, trouver encore que certains sont sur pied. Oui, il y, en a qui sont, il y en a qui sont très forts, qui peuvent encore travailler pendant 10-15 euh, ans. Mm. Oui, euh, moi, je connais effectivement des oncles qui ont travaillé jusqu'à. Il y en a qui ont travaillé jusqu'à la mort. Ce n'est peut-être pas souhaitable, mais enfin, c'est pour dire quand même qu'il mm. il y en a qui ont l'aptitude pour travailler. Et puis, ça dépend de, de l'agencement du travail qui doit être fait par lui, par la personne âgée. Merci mm. beaucoup. Monsieur Kassé, vous êtes euh, directeur euh, de la Caisse autonome euh, des retraités du Niger. Comment déterminer l'âge de la retraite ici au Niger D'accord. Avant de répondre à ça, mhm. peut-être que je vais dire deux mots sur les 30 ans de service pour l'avoir géré en tant qu'ancien ministre de la fonction mhm. publique et du travail. D'accord. En fait, les 30 ans de service, ça a été un mal nécessaire dans la mesure où on s'était retrouvé dans la situation où les fonctionnaires accusaient 12 à 13 mois d'arriéré de salaire et où le pays lui-même était obligé de signer des accords avec le FMI et la Banque mondiale, et vis-à-vis desquels on nous dit votre masse salariale tel qu'il est, il est déjà assez élevé. Vous choisissez ou vous faites partie de la moitié des fonctionnaires, ou vous trouvez un mécanisme pour les diminuer et vous ne recrutez plus. Le Niger, à l'époque, avait choisi les 30 ans de service. C'est-à-dire, quand vous arrivez à 30 ans de service, mhm. vous êtes encore vigoureux, vous n'êtes pas vigoureux. On vous dit pliez les bagailles, on ne veut plus de vous. Mhm. Et qui a fait que vraiment, dans l'enseignement, on s'est retrouvé avec des gens qui sont encore jeunes, encore jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses et qui se sont retrouvés dans la rue et qui ne savent plus quoi faire. Puisque de l'autre côté, on n'a rien prévu pour les prendre en charge. Mhm. Mais on l'a fait pour que non seulement on ne renvoie pas une partie des travailleurs de force, mhm. je crois que ça aurait été plus dramatique. On a vu ce que c'est quand il y a eu les privatisations au Niger, on a fait les compressions de personnel. La solution, c'est vrai qu'elle a été douloureuse, mhm. mais elle a été aussi une solution parce qu'à terme, le régime était parvenu à juguler les 13 mois d'arrivée de salaire et même créer des conditions pour que petit à petit, on puisse revenir mhm. à une sérénité qui puisse permettre de commencer à recruter à la fonction publique. Il y a un autre aspect que Ali a souligné, sur lequel je voudrais aussi mhm. dire un mot. Effectivement, aujourd'hui, il disait qu'il y a des gens qui ont été capables de travailler au-delà de, 60 ans. Euh, après 60 ans, près de 15 ans. Aujourd'hui, la moyenne dans la zone CIPRES, la zone la c'est la conférence interafricaine pour la prévoyance sociale, mhm. dont le Niger fait membre. Il y a 18 pays africains qui sont membres. Mhm. La moyenne après 60 ans, c'est 18 ans, y compris le Niger, qui mhm. fait partie de cette moyenne-là. On peut travailler encore 18 ans après 60 ans. Maintenant, la détermination de l'âge de départ, on tient compte de l'espérance de vie. Pourquoi on a changé dans le temps avant, même si tu dis 60 ans, si le travail n'atteint pas 60 ans, ça veut dire qu'en réalité, c'est une autre politique, c'est une politique d'extension des retraités. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retraités à payer puisque tu n'atteins même pas 60 ans. Mm-hmm. <laughs> si l'espérance de vie est à 49 ans et tu dis que la retraite c'est à 60, ans, ben, il, se peut que la moitié des retraités meurent avant 60 ans. Donc c'est un élément important. Mm-hmm. Il faut que les gens vivent un peu plus longtemps pour que on puisse penser augmenter l'âge de la retraite. Deuxième élément, c'est que il y a un âge où on peut penser que il y a la possibilité de pouvoir faire un certain nombre de types d'activités. Mhm. Et c'est pour ça qu'on ne peut même pas uniformiser. Il y a des travaux plus difficiles les uns que les autres. S'il s'agit de venir s'asseoir dans un bureau et de travailler, en fait, vous n'avez pas la même pénibilité que celui qui doit creuser un trou chaque matin et qui doit machiner. Il y a enfin les paramètres de politique économique mhm. qui peuvent jouer dans le sens d'améliorer les conditions de vie des retraités. Pourquoi Quand la caisse a de l'argent, mhm. elle peut payer plus facilement les, retraites. Mais quand le retraité qui n'a pour revenu que sa pension doit attendre un an pour y accéder, ça aussi c'est l'inviter à mourir plus vite. Il n'aura plus d'autres Est-ce que vous voyez mhm. Donc, ce sont tous ces éléments qui peuvent jouer. Maintenant, il y a l'autre, que notre partenaire n'est pas là, la fonction publique elle-même. Quand vous vous rendez compte que dans votre système, parce que vous avez eu des politiques par le passé mhm. qui ont eu à créer des déficits énormes mhm. en termes de ressources humaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la conférence nationale au Niger vous savez bien que de la conférence à 99 presque, on ne recrutait presque plus à la fonction publique parce que on n'avait pas assez d'argent pour payer. Ou quand on recrutait, on a créé les conditions mhm. pour qu'on ne puisse plus payer les salaires. Et donc on a été obligé d'arrêter si on voulait les programmes avec les FMI et la Banque mondiale. Moi, moi j'ai été ministre pendant trois ans et demi. Mhm. Je n'ai pas recruté mille personnes parce que je ne pouvais pas je cherchais à payer les salaires et les arriérés. Il fallait payer à la fois le salaire et les arriérés en même temps. Donc, C'était donc les conditions, dans lesquelles se trouvent mhm. les effectifs de la fonction publique aussi peuvent amener à revoir, revoir l'âge de départ. Merci, M. Kassey, euh, directeur général euh, de la Careni. M. Euh, Ali Maman, vous voulez réagir sur... Je pense que, oui, je n'ai pas besoin de beaucoup parlé pour dire que l'âge de la retraite, c'est 60 ans. Mhm. Il y a une loi qui le détermine. Ce n'est pas autre chose. Mhm. Maintenant, chacun par rapport à sa santé, mhm. par rapport à ses possibilités physiques, peut naturellement vouloir ou continuer ou faire autre chose. C'est-à-dire, si le départ est obligatoire et qu'il soit parti, il peut toujours continuer à travailler dans le privé, en, civil, euh, donc euh, exercer Hein, ou le même travail qu'il a, ou bien s'orienter ailleurs, de façon à ce qu'il puisse encore augmenter son revenu. Mhm. son revenu. Donc, euh, euh, c'est vrai que euh, il y a une politique économique, mais c'est surtout, disons, une orientation de l'appareil de l'État dans la politique, si vous voulez, de la gouvernance. Euh, vous savez très bien que, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont partis à la retraite hein, avec 48 ans d'âge. Mhm. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait un programme, il fallait libérer, il fallait se conformer au programme de la Banque mondiale et du FMI. Et aussi, une autre phase, c'était les départs volontaires, mhm. c'est-à-dire les gens qui avaient des ambitions Hein, qui estimait qu'il pouvait travailler euh, en tant que patron, en tant que, euh, disons, capable de, de, gérer ses, propres activités mhm. et puis engager du personnel. Et il y a même, si vous voulez, un accompagnement qui a, qui a suivi. Mhm. Malheureusement, euh, ça n'a pas marché. En tout cas, je ne sais pas exactement si le <laughs> bilan, monsieur le ministre en a connaissance du bilan de ces, ces, ces départs volontaires. Maintenant, pour ce qui concerne, voilà, pour ce qui concerne les retraités à l'âge de 48 ans, 55 ans, voire 60 ans, euh, qui sont partis, mhm. effectivement, il n'y a pas de moyen d'accompagnement. Il n'y a aucun accompagnement. Quelqu'un qui quitte, il a fait 30 euh, ans, euh, il est moniteur de base, il est parti à 48 ans, et puis bon, il ne sait pas quoi faire. Il n'y a que sa et pension. Puis, il n'a rien. L'État n'a pas donné une possibilité d'accompagner. Donc finalement, les gens, euh, bon, ils se sont débrouillés comme ils ont pu mhm. hein, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc euh, en fait, c'est pour dire que c'est la contrainte, si vous voulez, qui est euh, imposée aux gouvernants par rapport au système économique mondial. Hein, vous avez besoin d'emprunter, il vous faut telle condition, telle condition. C'est ça qui fait que souvent, ils vont dans un sens et quelques années après, dans, le sens contraire. Parce que pour pouvoir augmenter l'âge, il faut se dire, nous sommes à peu près 20 millions de Nigériens. Et chaque année, nous avons plus de 600 à 800 000, euh, euh, si vous voulez, euh, jeunes qui viennent pour le travail. Ben, il va falloir trouver les moyens de les occuper, ces gens-là. Mhm. Sinon, <laughs> ben, vous allez finir par en faire des dégâts. Oui, c'est pour ça que euh, à un moment donné, il faut que l'âge de la retraite, hein, euh, qui doit être naturellement discuté si, cela, si le besoin est, discuté, arrêté, naturellement aussi en tenant compte des, jeunes qui sont... Parce que il faut que les jeunes travaillent. Il faut. Sinon, ben, ce sera dans les foyers d'abord que ça va commencer. Les jeunes vont commencer d'abord à écraser leur papa, ils vont s'auto-déterminer. Mhm. Et puis finalement, non, il faut que les jeunes puissent travailler. Moi, je pense que étudier c'est bien, mais j'ai dit alors le sacrifice qu'on a fait pour les départs à 48 ans mhm. à la retraite ou les départs à 55 euh, ans et ensuite le décongestionnement qu'il y a eu au niveau de l'État, mais qu'est-ce que ça a produit Si on doit faire encore que je ne vois pas qu'est-ce qui a varié, mais ce qui a varié, c'est peut-être maintenant la création de la Carini qui doit prendre en charge et qui a besoin de ressources et que l'État n'est pas prêt à lui donner des ressources. C'est ça en fait. Parce que si vous prenez, oui, si vous prenez. Il y a plus de chômeurs aussi. C'est l'abondance des chômeurs qui fait que les gens doivent aller, les plus âgés doivent aller à la retraite. Forcément. Mhm. Maintenant, euh, euh, essayons de faire un programme de façon à ce que ceux qui sont à peu près proches de la retraite puissent déjà euh, initier des choses pour lesquelles ils peuvent effectivement, au lieu de tomber directement sur les pénuries hein, de ressources, qu'ils puissent produire par rapport à leur euh, état de santé, par rapport à leur capacité intellectuelle et physique. voyez Donc, et ça, c'est à l'État, naturellement, de préparer un programme de départ à la retraite. C'est par exemple cinq ans avant la retraite, on prépare. selon chacun, selon ses, capacités, chacun, selon son choix, faire en sorte que euh, euh, d'autres activités puissent effectivement accompagner le retraité. D'accord. Ok, donc avant de poursuivre ce forum, je vous propose de suivre un extrait de l'interview que nous avons eue avec euh, Alio Omarou, le président du Conseil national de la jeunesse concernant l'âge euh, de la retraite. Je représente euh, le Conseil national de la jeunesse du Niger qui a été créé par le décret numéro 2015-545 bar PRN bar MJ bar S du 14 octobre 2015 donc portant création, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, qui est l'organisation fitière de tous les mouvements, réseaux, ONG et associations de jeunesse exerçant au Niger. Et l'idée de créer un conseil euh, date de 2006, lorsque les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'étaient retrouvés à Banjul. C'est à cette occasion qu'ils ont adopté la charte africaine de la jeunesse et il a été demandé à tous les États partis de mettre à leur sein un organe fédérateur qui est communément appelé Conseil national de la jeunesse du Niger, donc qui représente la jeunesse, qu'elle soit un milieu euh, urbain ou rural, qu'elle soit un milieu scolaire ou non scolaire. C'est donc une très grande responsabilité qui nous a été confiée par la jeunesse nigérienne. Et c'est un organe apolitique et non confessionnel. Je pense que c'est important de le préciser. Et un organe aussi qui n'est pas syndical. Quel euh, est votre avis concernant ce probable euh, rallonge de l'âge de la retraite ici Écoute, Moi, je vais tout de suite vous dire que en tant que représentant de la jeunesse nigérienne, nous sommes formellement contre cette intention du gouvernement à vouloir ramener l'âge de la retraite de 60 à 105 ans pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer. La première raison, je vais vous dire que les jours passés, nous étions au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative où, personnellement, j'étais reçu par la ministre de la fonction publique et nous lui avons fait cas de notre position ferme et indéfectible de combattre cette intention du gouvernement à vouloir rallonger l'âge de la retraite. Parce qu'il s'agit de la loi 2007-26 portant statut général de la fonction publique de l'État, notamment l'article 141 qui stipule que le fonctionnaire atteint par la limite d'âge de 60 ans est admis d'office à la retraite. La loi, elle est très claire. En ramenant l'âge de la retraite à 105 ans, d'abord, on hypothèque l'avenir, l'espoir, les ambitions de la jeunesse de 5 ans. Ce qu'on ne peut pas accepter, d'une part. D'autre part, c'est que nos parents, à qui on demande de travailler jusqu'à 105 ans, mais ils ne vont pas vivre de leur pension. C'est-à-dire que beaucoup vont mourir avant même de toucher leur pension. Ça n'arrange ni la jeunesse, ni ceux-là à qui on va prolonger l'âge. souvent, le prétexte fallacieux qui est avancé, c'est de dire que ça va permettre aux anciens de transférer leurs compétences. Bon sang, vous faites 30 ans de service. Jusqu'à 60 ans, vous n'avez pas transféré de compétences. Ce n'est pas après 5 ans que vous allez le faire. Et d'ailleurs, les, les, jours passés, on était sur plusieurs plateaux de télé et de radio où on était entouré par des retraités qui, pour la plupart, nous soutenaient dans notre position de combattre cette intention du gouvernement. Je vous donne les statistiques. Entre 2014 et 2017, nous avons eu exactement 3060 agents de l'État qui sont partis à la retraite. Entre 2018 et 2019, c'est 2676 agents qui sont allés à la retraite. Prenons juste les derniers chiffres, 2676 agents. Avec ces chiffres, on peut créer plus de 4000 emplois. Pourquoi Parce que le jeune, quand il arrive à la fonction publique, ben, il n'a pas 200 000 de salaire. Donc, avec ces salaires déjà, sans que ça ne touche à la masse salariale, on peut créer beaucoup d'emplois. Le président de la République avait promis mhm. à deux reprises la création de 50 000 emplois. Bon sens, c'est ces retraités, parce qu'il ne s'agit pas de retraités en réalité, il s'agit des amis politiques, des alliés politiques qui veulent cela, même au sein du gouvernement. Et je vous le dis de source sûre, de sources sûres, mhm. à un des conseils des ministres, le président de la République a été très clair. Tous ceux qui vont à la retraite vont partir. Il n'est plus question de signer des contrats aux retraités. Parce que ça aussi, ça fait partie des revendications que nous portons. ça parce que les retraités, ils sont en train de le faire revenir. Mais bien sûr, ça, ça, a un coût. Je, je vous l'explique, parce qu'il faut qu'on parle chiffres. C'est-à-dire que lorsque le retraité, on lui signe un contrat, d'une part, il va toucher un salaire et de l'autre part, il va aussi toucher sa pension. Donc c'est trop cher, ça revient trop cher pour l'État. Donc cette mesure n'avantage que ce groupuscule de, de, politiciens et ça n'arrangera peut-être que la carénie. Vous comprenez Pourquoi la carénie Parce que les gens vont cotiser plus et ils vont mourir tôt. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup, ils vont beaucoup cotiser. La carénie ne va faire aucun investissement et c'est nos parents qui vont en payer les mhm. frais. Donc mhm. c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de prendre le devant. On ne va pas l'accepter. Voilà, c'était Ali Omarou, président du Conseil national de la jeunesse, qui réagissait à un éventuel report de l'âge de la retraite. Mm. Monsieur Kassei, directeur de la Carénie, vous avez entendu, il vous a mm. indexé. <laughs> Mm. vraiment, euh, merci de nous avoir permis d'écouter un peu ce que les jeunes pensent de toute cette problématique. Mm-hmm. Mais les jeunes posent mal le problème. Euh, c'est vrai que c'est facile de dire il faut empêcher à l'autre de faire ceci. Mais ils n'ont pas posé le vrai problème. Le vrai problème, c'est de dire à l'État pourquoi vous bloquez l'entrée à la fonction publique Pourquoi vous ne créez pas les conditions d'une véritable politique d'emploi. Malheureusement, le ministère de la fonction publique euh, n'est pas là pour éventuellement répondre à cette question. <laughs> La Carénie pose un débat qui pose la problématique de l'avenir de la retraite au Niger. Si les gens pensent qu'un retraité doit être enterré le lendemain, c'est une, autre conception. Une autre est de considérer que ce sont des gens qui ont été utiles pour leur pays. Ce sont des gens qui méritent considération de la part du pays. Et ce faisant, personne n'a le droit de les maltraiter. Est-ce que vous savez qu'il y a des retraités qui font deux ans, ils n'ont pas accédé à leur pension pourquoi On leur demande. Parce que tout simplement, il y a une série de tracasseries administratives qui sont encore là, que nous cherchons à juguler, et qui fait que pour accéder au carnet, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Quand vous avez le carnet, il faut attendre que le paiement soit disponible il faut, etc. etc. Est-ce que vous avez l'intention de revoir euh, toute cette procédure Bien sûr, la carénie est là justement pour ça. Si à Lyon, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est pour lui expliquer que ce n'est vraiment pas pour de euh, l'arnaque ou pour chercher à faire adasser. C'est pas <laughs> pour On va donner la parole à M. Ali euh, Mamouane. Donc, euh, voilà. Merci, madame. Oh, c'est vrai que la retraite est une chose nécessaire pour le retraité, pour l'État et pour la société tout entière. Mhm. Mais il faut savoir l'organiser. Il ne faut pas le faire au détriment de ceux qui viendront prendre le travail après vous et également, il ne faut pas aussi que ça soit euh, au détriment du retraité lui-même. C'est vrai que c'est une étape pour un retraité de cesser de travailler. D'abord, il y a l'aspect social. Le fait que tous les jours ou tous les matins, le soir, il rencontre des gens qu'il connaît, qu'il est habitué. Et également, naturellement, les rapports ont toujours une utilité dans la vie. Donc, il va falloir rompre avec ça. Et ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, maintenant, il y a le salaire. Il ne sera plus à mesure, que lorsqu'il sera retraité, de le mhm. percevoir tous les mois. Il faut que ce soit euh, tous les trimestres. Et ensuite, l'importance de l'enveloppe ne lui permet pas, si vous voulez, de vivre la même vie qu'il vivait. Le train de vie euh, un, va changer. voilà, un jour avant la retraite. Donc c'est un peu pour ça que le retraité a besoin d'accompagnement. Mhm. Maintenant, pour ce qui concerne les contrats, c'est vrai que la loi, le code de travail a prévu et euh, les conditions dans lesquelles il faut euh, rédiger des contrats. Parce que s'il y a des compétences qui manquent, même si vous avez 60 ans, mhm. l'employeur peut être autorisé à vous laisser travailler pendant 5 ans, pendant 10 ans, mhm. histoire de préparer ceux qui vont vous succéder, et aussi plus jeunes naturellement. Mhm. Le plus souvent, euh, l'entrepreneur ou bien, si vous voulez, l'État qui doit, ou les sociétés qui doivent organiser cela, ne le font pas. Il aurait fallu que en tout cas le responsable de la boîte ou de l'État, fait en sorte qu'il y ait des, adjoints qui puissent effectivement travailler, avoir de l'expérience et pouvoir remplacer sans autre forme, euh, euh, disons, d'expertise, mhm. celui qui part à la retraite. Et tout ça, là, ça doit faire l'objet d'une organisation. Maintenant, les jeunes se plaignent qu'il y ait des contrats. C'est vrai qu'il y, y, a combien de contrats Il n'y en a pas beaucoup. Tout est une question de compétences ou une question de relation. Parce que si vous prenez, par exemple, les affaires politiques, il va de soi que l'équipe qui a gagné puisse effectivement faire en sorte que euh, ils ont tellement sympathisé, ils ont confiance les uns et les autres. C'est en ce moment cette équipe qui doit être euh, naturellement responsabilisée. Mhm. Donc ça, vous ne pouvez rien. Maintenant, je parle des postes électifs, etc. Maintenant, quand, vous venez juste euh, une simple administration, une administration doit faire en sorte que qu'il y ait un planning de retraite et qu'à travers ce planning-là, ils peuvent organiser les formations de mhm. façon à ce que quand il y a deux qui partent, bon, ben, que ces deux-là puissent être remplacés par les plus jeunes qui sont formés et qui, et qui ont déjà euh, secondé, mhm. hein, disons, euh, l'application des différentes euh, questions de la société. D'accord. Ok. Merci, monsieur Ali Maman. Avant de continuer, je vous propose encore de suivre un extrait de, Ali Omarou, président de la CNJ. Selon vous, quel sera le sort de ces jeunes-là qui attendent toujours d'être recrutés à la fonction publique Mais quand vous parlez de sort. a un âge limite pour intégrer la fonction. S'il vous plaît, quand vous parlez de sort, c'est comme si euh, vous me dites que oui, président, vous avez lâché, vous avez accepté. Non, on ne va pas accepter. Cela n'arrivera pas. Nous avons passé plus d'une semaine à faire euh, des débats radio-télévisés, à aller dans les instituts universitaires pour expliquer à la jeunesse le danger qui les guette. Et ces jeunes, ils sont prêts à battre le pavé, à nous soutenir pour que cette loi ne puisse être, euh, être révisée. Regardez, allez-y dans les familles. Les jeunes à 35 ans, ils n'ont pas de boulot. À 40 ans, ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas une honte sociale, ça. Quel est ce parent-là qui veut voir son enfant, son petit-enfant, continuer à être sous sa, sous sa charge mais c'est inadmissible. Nous souhaiterons bénéficier de ces avantages. D'ailleurs, dans tous nos discours, on dit à la jeunesse, écoutez, la fonction publique ne, peut pas absorber tout le monde, ne pensez pas à la fonction publique. Ça, c'est pour encourager aussi les jeunes à faire de l'entrepreneuriat, à créer eux-mêmes de l'emploi. Mais ça, ça ne suffit pas. Mhm. S'il y a des possibilités à la fonction publique, mais il faut qu'on se batte pour que les jeunes puissent occuper ces places. Nous sommes dans cette logique. On veut contribuer et il y a aussi ce conflit de générations. Mhm. Aujourd'hui, beaucoup de ces parents analphabète euh, sur le plan du tic parce que ça aussi ce conflit. Vous allez mettre un ordinateur devant ces parents-là. Ils ne savent même pas comment les manipuler. Donc, or, nous, avec la technologie, on peut rattraper tout ce retard. Essayez de comparer. Quand vous allez, par exemple, en Asie et en Afrique, on a eu les indépendances les mêmes années. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui Où est-ce nous en sommes Comment ils ont fait pour rattraper c'est à travers l'éducation, de l'éducation de qualité. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont très compétents. Malheureusement, on nous parle d'expérience pour accéder à certains emplois. Bon sang, où est-ce que vous allez trouver de l'expérience si vous restez toujours à la maison D'ailleurs, en 2011, lorsque le président Issouf était venu au pouvoir, l'une des raisons évoquées pour commencer à signer des contrats à ses retraités, c'était de dire que dans certains domaines, il n'y avait pas eu de transfert de compétences. Et ces domaines-là ne sont pas nombreux. Donc, permettez à signer des contrats pour que dans les deux ans, ils puissent transférer. Bon sang, après 8 ans, on va me parler de quel transfert, de quelles compétences encore. Ça ah, suffit, ça suffit. <laughs> Voilà, vous l'avez encore écouté, Ali Omarou, président du Conseil national de la jeunesse. Vous avez une réaction et aussi une question. Euh, après la réaction, quels pourraient être les avantages et les inconvénients sur cette question d'un probable euh, report de l'âge de la retraite Après réaction. Bon, vraiment, euh, je n'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à ce que les jeunes viennent de dire. Pourquoi Pour la simple raison que il n'a fait que essayer d'attendrir les gens alors qu'il s'agit de questions objectives qui se posent. Quelles sont ces questions objectives L'emploi des jeunes est-il lié à, au management des ressources humaines dans un pays Est-il lié à l'âge de départ à la retraite Est-il lié au fait que, dans une situation donnée, l'État puisse utiliser un certain nombre de paramètres pour essayer de faire face à un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, on peut résoudre le problème des jeunes, mais on peut créer aussi un problème de l'autre côté. C'est quoi ce problème qui est susceptible d'être posé Nous, en tant que Kareni, le problème que nous posons, c'est comment créer une viabilité d'une caisse que nous pensons nécessaire pour qu'une frange de la société, qui mhm. n'est pas inutile, les retraités, puissent aussi améliorer ses conditions de vie. Mhm. Maintenant, pour revenir à l'autre question, il faut vous dire que le Niger n'existe pas en vase, ne, vit pas en vase clos. Mhm. Le Niger est dans une sous-région. Est-ce qu'Alio Lyon, sait que euh, au Burkina, on vient d'adopter les 105 ans en 2017 est ce qu'à a lieu, c'est qu'au Mali, déjà en 2016, ils étaient à 62 pour la catégorie C, 63 pour la catégorie D, et pour finir avec la catégorie 1 à 65 ans. Peut-être que, les jeunes de ces pays-là ne sont pas dans les mêmes conditions du Niger. C'est pire parce que s'ils savaient, est-ce qu'à l'UEC en Côte d'Ivoire, qu'ils soient à 65 ans aujourd'hui Malheureusement, il, il n'est pas là pour répondre. Ce sont des politiques que les pays mènent. Est-ce que les jeunes le savent Il faut Bon, les jeunes le savent pas, les pas. Voilà. Il faut que les informer. Aujourd'hui, le FNR, le Fonds national de retraite, qui va se transformer à la, en Carénie, n'a aucune réserve technique. Aujourd'hui, c'est le compte unique. C'est ce qu'il y a dedans. Mais avant, c'était combien le fonds alloué Justement, les retraites font environ 17 milliards par an. S'il n'y a rien dans la caisse, on ne peut pas les payer. Ici, nous, la garantie pour les fonctionnaires, mhm. c'est l'État. Le jour où l'État n'a rien, et c'est arrivé, ça veut dire qu'il n'y a pas de pension. D'accord. Et est-ce que les gens savent qu'aujourd'hui, les cotisations que les gens font là, en deux ans, sept mois, vous avez déjà récupéré tout ce que vous avez cotisé. Tout le reste, c'est à l'État de se débrouiller pour vous donner. Voilà pourquoi une caisse viable est nécessaire et voilà pourquoi nous nous faisons certaines propositions. Merci, Monsieur Kassai de la Carénie, Monsieur ah. Ali Mamman. Selon vous, oui, euh, après réaction, quelles sont les alternatives possibles à la place de cette vrai, intention que, de veiller C'est ce que le ministre, monsieur le ministre vient de dire, il y a des avantages, et des inconvénients comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les départs à la retraite. Hmm. Alors, euh, le fait de laisser les anciens continuer à travailler n'est pas mauvais en soi, pour un État. Parce que c'est comme si vous dites, j'ai des travailleurs qui sont plus expérimentés et qui continuent pendant encore 10, 15 ans ou 18 ans, selon le cas. Pour l'État, c'est bien. Mais il y a le revers de la médaille, effectivement, euh, si les responsables de l'État n'ont pas pris les dispositions pour former des jeunes compétents, alors ils vont se retrouver naturellement avec la, variante, étant donné que euh, euh, l'accroissement démographique du Niger pas, si vous voulez, celui du Mali, celui <laughs> du Burkina, ou encore moins celui du... Donc, ce qui fait que nous devons, nous, compte tenu de la contrainte, cette contrainte-là, trouver des solutions. Trouver des solutions pour instruire mhm. les jeunes, pour ensuite les occuper à travailler. Mhm. Si on ne le fait pas, comme je l'ai dit, naturellement, toutes les, les, politiques que nous allons mener vont, euh, disons, tomber à l'eau. La pression, elle est immense. Si vous avez 600 000, 800 000 qu'il faut trouver du travail chaque année, ce n'est plus une question de, du programme de 50 000 emplois. Non. Mais oui, parce qu'ils auront, ils auront atteint l'âge de travailler. Il faut permettre aux, aux jeunes Nigériens de faire des longues études au moins, ça va temporiser, si vous voulez, euh, la euh, relève réaction D'abord la formation, et mhm. puis ensuite certaines réactions peu favorables, naturellement, au développement social. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, l'engagement, maintenant, il va falloir trouver le moyen de rassurer les jeunes que les jeunes ne se trouvent pas perdants la caisse trouve son compte, l'État aura donné satisfaction aux, syndicalistes mhm. et également euh, à la caisse pour lui permettre de fonctionner, parce que la caisse, c'est un bien public. Ça va euh, arranger tout le monde. Et parce que, naturellement, elle est obligée de chercher si vous voulez, de quoi renflouer sa caisse. Mhm. Puisque compte tenu des départs, départ, et puis ensuite de la longévité. Parce que plus on raccourcit la vie des retraités, plus, là, bon, je vais dire par là, ce n'est pas pour aller à les éliminer, non, non, mais ça intéresserait la caisse quand même. Donc, ça <laughs> veut dire qu'il y a toute une acrobatie de faire, à faire. Tout est lié Et ça, pour permettre vraiment de s'en sortir. D'accord. On écoute un extrait de Ali Omarou, président de la CNJ. Donc, euh, au vu de ce contexte-là qui pourrait arriver, euh, comment pensez-vous que les jeunes euh, trouvent du travail En tant que conseil, notre rôle, c'est de dire à l'État, faites attention. Vous êtes mhm. en train de toucher le bouton rouge, faites attention. Mhm. Et nous sommes dans cette logique. Ces jeunes diplômés, mais c'est des bombes à retardement. Mhm. Vous avez vu le printemps arabe, comment c'est arrivé C'est des jeunes diplômés qui ont commencé à simuler, à mettre du feu sur leur propre corps. Et vous avez vu là où ça a mené les pays arabes On ne veut pas que cette situation arrive dans notre pays. Donc pour ce faire, il va falloir que le gouvernement se ressaisisse, que ces parents politiques-là, qu'ils comprennent qu'ils ont fait leur temps, il y a un temps pour tout. Quoi. Quand vous faites votre temps, laissez à vos fils, laissez à vos petits-fils, à eux aussi de faire leur preuve, de faire leur temps. Voilà le problème eh, auquel nous faisons face et nous ne sommes pas prêts à lâcher, Inch'Allah. Et donc, euh, entre autres, qu'est-ce que vous suggérez notamment aux jeunes encore et euh, à l'État nigérien pour euh, que ces jeunes-là puissent trouver du travail et que ces personnes-là qui doivent aller se reposer partent Moi, je pense que le chef de l'État, qui est le garant de l'unité, le garant de la stabilité, le garant de tout ce que vous voulez, mhm. est déterminé à faire partir tous ces retraités. Donc, mhm. il va falloir que la jeunesse que nous représentons puisse l'accompagner puisse le soutenir dans cette, dans cette logique et qu'on s'organise davantage, qu'on puisse avoir... Parce que nous, qu'est-ce qu'on avait fait avant de se lancer On est allé voir la ministre de la fonction publique, on est allé chercher les vrais chiffres à la fonction publique. On s'était dit, OK, ben là, il faut s'engager. Et on a été à la Caisse nationale de sécurité sociale pour chercher certaines informations. On a échangé avec des experts, qui, mm-hmm. qui beaucoup d'experts d'ailleurs. Quand ils nous ont entendus sur les radios, ils ont commencé à nous appeler pour nous dire, continuez ce combat. Continuez ce combat parce que sinon, vous acceptez qu'on sacrifie votre avenir. Et moi, président, je ne veux pas accepter que pendant mon mandat, qu'on me dise que j'ai lâché parce que c'est une question d'histoire, une question d'honneur et on n'est pas prêt à lâcher. Donc il faut que les jeunes, qu'on soit soudés, qu'on se dise que c'est un danger qui nous guette et on n'est pas prêt eh, à lâcher. On a créé un ministère en charge de l'entrepreneuriat pour que d'autres jeunes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais si on ne veut pas, ma grande, que les jeunes puissent mourir dans la mer de la Méditerranée, mhm. si on ne veut pas que les jeunes soient enrôlés dans les, groupes extrémistes, il ne faut pas créer les conditions. Parce qu'amener l'âge de la retraite à 105 ans, c'est créer les conditions pour que les jeunes soient des véritables terroristes, pour que les jeunes soient des véritables migrants irréguliers. Mm. On n'a pas besoin de cela. On veut rester chez nous, construire chez nous, et alors il faut que l'État puisse créer le cadre. Et c'est un devoir pour l'État. Et donc, en faisant cela, en prolongeant l'âge de la retraite, pensez-vous que pour euh, l'État, cela a un avantage euh, pour euh, le bon fonctionnement de l'administration Ça n'a aucun bon fonctionnement. je m'excuse, mais de 1960 à aujourd'hui, ce sont les mêmes soi-disant experts, techniciens qui gèrent le pays. Où est-ce que nous en sommes Dernier. Et c'est eux qui vont changer le pays. Le pays-là ne peut pas changer tant qu'il n'y a pas une forte volonté, tant que la jeunesse n'est pas responsabilisée. Malheureusement, nos parents, nos aînés, ils ont échoué. Ils ont échoué dans leur mission. Où est-ce qu'ils ont laissé le Niger Mais je suis désolé, donc il n'y a pas d'argument qui tienne la route pour justifier en tout cas cette intention d'amener l'âge de la retraite à 105 ans. On veut que nos grands-parents restent dans leur famille à côté de, leurs petits-enfants. L'âge de la retraite à 105 ans revient à dire hypothéquer l'avenir de la jeunesse, mais hypothéquer aussi l'avenir, en tout cas, de nos grands-parents. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Mhm. Il y a beaucoup d'investissements dans notre pays. Le pays est en train de changer de visage. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les jeunes aussi puissent contribuer à cet élan-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est là que nos parents doivent s'interpeller eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque parent, en dormant, doit se dire attention, est-ce que je ne fais pas d'erreur mhm. Tous ces jeunes-là qui sont à la porte, quand je pars au boulot, je les laisse, quand je reviens, ils sont à la même position, c'est un danger. Mhm. Et c'est cette bombe-là qu'on veut désamorcer. Et on ne pourra désamorcer cette bombe qu'en donnant l'occasion aux jeunes d'être à la fonction publique, d'avoir une jeune entreprise. Bah, mhm. Donc si les jeunes urbains diplômés sont délaissés, ceux en milieu rural sont délaissés, je vous assure que ça va exploser. Et on n'a pas besoin de cela. On veut voir notre pays qui accusait accusé tellement de retard, rattraper les autres. Et je pense que c'est bien possible si on fasse davantage confiance à la jeunesse. D'accord. Pour finir, donc, quelles sont les alternatives possibles à la place de cette euh, intention de vieillir l'administration L'alternative, c'est de rajeunir. On parle de renaissance culturelle. On parle de. Il y a même une institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Comment, avec une vieillerie, on va moderniser Il faut qu'on arrête. Donc, il va falloir moderniser l'État avec du sang neuf. Et nous avons du sang neuf compétent, nous avons du sang neuf qui est en train de faire leurs preuves. Il va falloir aussi qu'on fasse confiance à cette jeunesse. D'accord. Et donc, au cas où cela arrivait encore, vous allez encore mobiliser les jeunes euh, à contester Ça, je ne vous le dirai pas. Vous allez voir ce qui va se passer et j'espère que ça n'arrivera pas, Inch'Allah. <laughs> merci, Président. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Une suggestion, oui, parce qu'on est au terme de ce forum. Vous avez deux minutes. D'accord. Mhm. En fait, euh, en ce qui concerne l'impact euh, sur la fonction publique et autres, on ne peut pas bien apprécier l'impact tant qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, la fonction publique est composée de contractuels. Mhm. C'est-à-dire, ce sont des gens qu'on a pris parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose et qui sont occupés à faire un certain nombre de tâches. Mm. Si nous devons confier toute la politique de développement de notre pays aux mains de ces gens, je pense bien que ce ne serait pas une bonne chose. Mm-hmm. À ce niveau, et peut-être que Ali pourrait le confirmer, on se retrouve dans des secteurs où, à cause des flux importants de départ, on est obligé de demander un certain nombre d'hommes. Il faut rester nous aider le temps qu'on voit comment on va faire. Aujourd'hui, le ministère des Finances est truffé de gens qui sont des contractés parce que les grands financiers qui savent un peu comment ça marche sont tous arrivés à maturité parce que ce que les gens oublient, c'est Kunti qui a commencé à recruter en masse. Et ce sont les recrutements de Kunti aujourd'hui qui sont en train de partir. Donc la fonction publique est en train de se vider à un rythme important. Aujourd'hui, d'ici 2021, ce sont près de 6 000 personnes qui sont attendues pour être à la retraite. Et de l'autre côté, on ne recrute pas. Parce que nous sommes en programme avec le FMI, la Banque mondiale, qui dit comment on veut que la fonction publique puisse prendre en charge les questions qui se complexifient chaque matin en matière de développement. Il faut qu'Alio e intègre ça. Mhm. Nous sommes d'accord qu'il faut trouver une alternative aux jeunes on ne peut pas continuer à observer les jeunes et ne pas leur trouver des débouchés. Mhm. Mais cela ne va pas en contradiction avec cette loi-là. On peut les aider à trouver des axes sur lesquels ils peuvent vraiment rapidement se retrouver. Merci. Merci à vous, Monsieur Kasseï. C'est la fin de cette euh, émission axée sur euh, revoir euh, la hausse de l'âge de la retraite. Pourquoi et quel impact sur la jeunesse et le fonctionnaire sur le point d'aller à la retraite. Pour débattre de cette thématique, nous étions avec Monsieur Ali Maman, ancien maire des communes de la ville de Niamey, Monsieur Seyb Moussa directeur de la Caisse autonome des retraités du Niger, et Alio Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse que nous avions en interview. Le ministère de la fonction publique à qui nous avons fait appel n'a pas participé à cette émission. Merci aux fidèles des programmes de Studio Kalangu qui écoutent grâce aux radios partenaires. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. C'était Rayla Toussoumana à la présentation et Abdoulaye Bunga à la technique. Au revoir.